forum le forum du forum le forum du studio de Studio Kalangu, c'est tout de suite euh, sur le Studio Kalangu. Vous le savez, c'est le rendez-vous quotidien, cet espace de change, de débat, de sujets qui préoccupent les populations. Il est 18h passé de 15 minutes. Très ravi de vous retrouver pour cet autre numéro du forum. Diallo Mariama Kenda pour vous servir. Bonsoir et merci de rester à l'écoute. ce soir, nous revenons sur un sujet brillant. Il concerne la rentrée scolaire. Ce matin, les élèves du primaire et du collège ont effectué leur rentrée scolaire. Rentrée qui rime avec remous dans ce secteur de l'éducation où certains syndicats appellent à la grève comment s'est déroulée cette reprise sur l'ensemble du territoire. Nous ferons le tour des différentes régions avant d'en débattre ici dans notre studio avec des invités du secteur de l'éducation. Messieurs, dames, bienvenue. Nous débutons cette euh, première partie de l'émission avec euh, la région de Difa qui fait face à l'insécurité due au groupe euh, Boko Haram. La rentrée scolaire des élèves du primaire et du collège a eu lieu. À cette occasion, le gouverneur de la région a visité plus d'une dizaine d'écoles selon Maman Lawali, Dandano, tout se déroule normalement. Le gouverneur Maman Lawali nous parle également de la rentrée dans les écoles d'urgence installées sur les sites de réfugiés. On a fait le tour de toutes les écoles de, la ville de Diffam. Donc, euh, on a pu constater que la rentrée est bien faite. Les élèves sont là, les professeurs sont là et le matériel est Donc, du coup, euh, toutes les connaissances sont réunies pour que la rentrée scolaire se passe très bien. Quand vous dites tout euh, le, tour de toutes les écoles, euh, quelques-unes ou effectivement toutes les écoles de euh, la ville de Diffa. Donc, donc on a fait pratiquement une dizaine d'écoles pour être sûr que tout se, tout se passe bien. On était dans les primaires, dans les secondaires, dans les enseignements arabes et fonctionnels, donc un peu partout on était et on a pu constater que vraiment les choses se passent très bien. Vous savez, nous chez nous on a on a une particularité, on a ce qu'on appelle les écoles d'urgence. Ce sont des écoles qui accueillent les, enfants des déplacés et réfugiés. Ici à Niamey, des kits ont été distribué dans, dans, les écoles. C'est pareil à DIFA Ben, mais c'est national, c'est pareil. justement, il y a eu des cahiers, il y a eu des bics, il y a eu des, boîtes à géométrie. On sait que DIFA euh, euh, est une particularité compte tenu de la situation sécuritaire euh, là-bas. Quelles sont les dispositions qui ont été prises ou bien tout va bien actuellement c'est ce que je disais. Vous savez, nous, on a des déplacés, des gens qui vont quitter leur logement naturel pour venir s'installer ailleurs. On a créé des écoles d'urgence les enfants de se déplacer parce qu'on a l'obligation de les éduquer. Donc on a créé des, écoles d'urgence les sites. Donc dans chaque site, vous avez des écoles, tout niveau confondus, pour euh, éduquer ces enfants. Et il y a également euh, la contribution de nos partenaires, surtout l'UNICEF qui nous aide euh, dans ce sens. Et quel type d'aide apporte l'UNICEF L'UNICEF, c'est surtout dans la construction des, des classes mobiles, qu'on appelle les classes mobiles. Donc c'est pour équiper ces sites en classe mobile. Ici, il y a eu un appel du SINASEP pour euh, une grève jusqu'au 7. Qu'est-ce qu'on peut dire à DIFA Vous avez eu écho de... en tout cas, moi, j'étais dans les écoles et j'ai pu constater que les enseignants sont là. ils sont prêts pour commencer les cours. Ces écoles d'urgence fonctionnent exactement comme les, écoles normales Absolument. Et j'ai eu à le dire ce matin que euh, la région du DIFA, elle est particulière. Mais N'empêche, cette année, nous, avons eu des bons résultats. Donc, euh, nous étions premiers au niveau national. Et j'espère que l'année prochaine également, cette région sera la première au niveau national, malgré le, le que nous vivons. Merci beaucoup, monsieur le gouverneur. Voilà, vous venez d'écouter le gouverneur Maman Lawali Dandano, gouverneur de la région de Difa. Après Difa, nous revenons à Niamey où cette rentrée des élèves du primaire et du collège a été aussi effective selon le directeur régional de l'enseignement secondaire de la région de Niamey, Zakaria Hima Barkire. On l'écoute. Aujourd'hui, 4 septembre 2016, la rentrée pour le premier cycle du secondaire a bel et bien eu lieu. Avec le euh, des primaire qui est chargé de lancer cette rentrée, nous avons fait le tour des établissements retenus pour le lancement. L'enseignement primaire a retenu les écoles primaires Yantalahou et un jardin d'enfants de la zone, à loin du cimetière-là. Pour l'enseignement secondaire, qui nous concerne directement, nous avons été au CG Yantala 1, où nous avons trouvé, je dirais, tous les élèves, le personnel enseignant, le personnel administratif. Et cette rentrée, nous l'avons euh, lancée dans une classe de troisième où le ministre et sa délégation ont procédé à la distribution des kits à tous les élèves. Parlez-nous de, ces kits. De quoi se composent ces kits Le kit est composé de, de 10 cahiers de 4 bics, dont trois bics bleus et un bic rouge, un ensemble géométrique et justement, au CG euh, un, comme on a trouvé qu'ils ont un stock de crayons de couleur, ils ont chacun une boîte de crayons de couleur. Donc ça, c'est le kit élève. Pour chaque élève Pour chaque élève. Euh, on a aussi euh, la, la, réaction ou l'appel à la grève euh, des syndicats du secteur de l'éducation vous avez ce matin été accompagné par euh, ces syndicats Nous n'avons pas eu de copie des mots d'ordre. Quand on était arrivé au niveau du 1, on a trouvé par exemple le SNEL qui était là avec nous et c'est avec nous ils ont fait la distribution des kits. Et nous avons trouvé tout le personnel enseignant de Sugentlain. Hein. En tout cas, on n'a pas connaissance. On n'a pas vu quand même euh, l'impact euh, des mots d'ordre parce qu'on n'a même pas reçu le mot d'ordre. Je ne pense pas qu'il y ait un mot d'ordre de boycott de grève par rapport à cette rentrée. Samedi exactement, euh, le Cause Niger a lui euh, fait une déclaration dans laquelle un certain nombre de, revendications, dont euh, le paiement des, des, des pécules, des arriérés de salaire, est-ce que là encore vous confirmez qu'il n'y a vraiment pas matière à quand même s'inquiéter en ce qui concerne souvent ces appels à la grève Ce que j'aimerais dire par rapport à ça, c'est que que cause du Niger est un mouvement national. Nous sommes au niveau de la région de Niamey. Je vous informe qu'on n'a pas d'arrêt D'accord. Donc, euh, pour la région de Niamey, cette rentrée, elle est effective, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Les syndicats étaient avec nous, les élèves, bah, de la section de lycée et collège, les élèves étaient donc avec nous. Ils ont même pris la parole. Vous pouvez euh, suivre certaines chaînes, vous allez les voir. C'est vrai, ils ont demandé à ce que les conditions soient améliorées, mais ils ont même distribué des kits à leurs camarades. Ça veut dire qu'ils sont partie prenante de la rentrée d'octobre 2016. Et ces syndicats parlaient de quelles conditions, l'amélioration de quelles euh, conditions Bon, les conditions, c'est surtout euh, les classes, par pour que ce soit vraiment dressé rapidement. Monsieur le directeur, merci infiniment. Vous venez d'entendre euh, le directeur régional de l'enseignement secondaire de la région de Niamey, Zakaria Emma Barkiré, pour faire le constat sur l'effectivité de cette rentrée ici à Niamey. Une de nos équipes s'est rendue dans quelques établissements de la ville. Ce reportage est signé Nafissa Damou Sirfo. Écoutons-le. Ici, au CEG Yantala, c'est une ambiance digne des grands jours de rentrée. La joie des retrouvailles s'élit sur tous les visages des élèves qui discutent chaleureusement entre eux. Ces élèves, pour la plupart, ont déjà récupéré leurs fournitures scolaires selon le directeur de cet établissement pour Imanal Mahman. La rentrée et bien effective. Tous les enseignants du CG sont présents. Chacun a rempli sa fiche de reprise de service. Il ne me reste qu'à les transmettre au niveau de la direction départementale. Les enfants ont reçu leur kit comme prévu. Donc, au euh, niveau 4e, 3e, chacun a reçu ses 10 cahiers et 4 bics, plus même euh, un ensemble géométrique et une boîte de crayons de couleur. Après les collèges, la situation dans l'enseignement primaire, là, les choses sont plus difficiles. Pour cause le mot d'ordre des grèves, des syndicats, des agents contractuelle de l'enseignement de base SINASEP qui prend effet aujourd'hui. Zainabou Amadou, directrice de l'école primaire Yantalade, explique les conséquences de cette situation sur la rentrée dans son établissement. La rentrée est vraiment moche parce qu'il y a la grève de SINASEP qui continue Vraiment, les élèves sont venus. Ils sont même restés un instant et ils ont constaté eux-mêmes que vraiment, il n'y a pas de rentrée parce que les enseignantes, d'autres qui sont là, d'autres sont absentes. Donc, euh, c'est pas effectif. La grève des enseignants du primaire s'étend sur cinq jours. Les cours dans les différents collèges débuteront probablement le jeudi 6 octobre selon les responsables des établissements. Reportage Nafisa Adamou, commentaire à Bibou Garba, euh, cap sur la cité de Zarmakoui, la région de Dosso. Du côté de Dosso, cette rentrée des classes s'est déroulée sous le regard des autorités administratives et coutumières. Les enseignants contractuels, eux, n'ont pas répondu présent suite à un mot d'ordre de grève d'Audassane pour les détails. La rentrée scolaire a eu lieu ce matin à Dosso. C'est le gouverneur de la région qui en a donné le coup d'envoi au cg 2 devant élèves et encadreurs venus nombreux. Le directeur Moussa Ibrahim ne cache pas sa satisfaction. C'est l'établissement de référence de la région de c'est ici qu'on a enregistre moins de grève des enseignants. Tous les élèves présents ont reçu leur fourniture scolaire en quantité suffisante, souligne le gouverneur de Dosso. Pour Moussa Ousmane, il ne reste que le paiement immédiat des enseignants contractuels pour une réussite de l'année académique. Le corps professionnel et les élèves ont été à 90% présents. Partout, les élèves ont reçu les fournitures. Il y a un certain retard que les gens accumulent avant de transmettre les états, ce qui fait qu'aujourd'hui, aujourd'hui, euh, le mois d'août n'a pas été payé, mais les paiements commenceront aujourd'hui parce que tous les États sont prêts. Pour le mois prochain, Inch'Allah, ils ont pris l'engagement que les États iront à temps et que aussitôt les paiements commenceront, Inch'Allah. Il n'y a pas que les paiements de pécule comme revendication, explique le coordinateur du syndicat national des anciens contractuels et fonctionnaires de l'éducation des bases SINASEP. Les revendications du SINASEP vont au-delà, fait savoir M. Sebo Adamou, coordinateur section de Dosso. Les vraies questions sont là. Il s'agit de l'intégration sans concours que les promotions 2012, 2013, 2014 à attendent. Et il y a aussi l'ouverture qui n'a pas été faite. Aucun problème du côté des établissements privés où les cours vont débuter très bientôt. Laura pour le studio Kalango. Nous partons pour la capitale économique euh, du Niger, euh, la ville de Maradi qui a accueilli le lancement officiel de cette rentrée scolaire avec le ministre des enseignements secondaires qui a présidé cette cérémonie. Pour ce faire, Sani Abdurrahman a visité le lycée technique, le CES, le CES franco-arabe et Zaria et l'école primaire évangélique avant de se rendre dans la commune rurale de Giratawa. À la fin de cette tournée, il a fait le constat suivant au cours d'un point de presse qu'il a animé le ministre des enseignements secondaires Sani Abdurrahman au micro de Mohamed Maman, notre correspondant à Maradi. En cette matinée de reprise de l'école, les petits-enfants de l'école primaire Nomakaka 1 et 2 ont repris les chemins de l'école après trois mois de vacances. La joie des retrouvailles se lit sur le visage de ses élèves. Pour le directeur Issa Ada, tous les enseignants contractuels comme titulaires ont répondu présents à l'appel de ce matin. La rentrée a été effective ce matin. Les élèves et les enseignants, tout le monde est sur place dans les classes. Même les enseignants contractuels ont répondu. Certains sont venus. Hein. Presque la majorité. Les fournitures sont là sous vos yeux nous avons reçu le maximum auprès de l'État. Et ce sont des fournitures qu'on puisse utiliser au moins pour un semestre. Au niveau du 16 franco-arabe que le ministre a visité ce matin, élèves et encadreurs étaient sur place. Le directeur de l'école a profité de la présence du ministre pour énumérer quelques problèmes auxquels l'établissement fait face. Quelques problèmes, comme beaucoup d'autres établissements. Le premier, vous l'avez déjà vécu, c'est celui de la route. L'établissement ne dispose d'aucun point d'eau moderne. Tout ce monde-là est ravitaillé par euh, une charrette, asine. L'établissement ne dispose pas aussi de blocs administratifs. Il n'a pas non plus de clôture, comme c'est visible. Et c'est cette situation même qui nous a causé, n'est-ce pas, un incendie l'année passée. Le ministre Sani Abdraman a précisé que le franco-arabe est un système d'enseignement auquel l'État porte un œil très regardant. Il dit avoir pris bonne note pour les doléances. Concernant vos doléances, le gouverneur a répondu et je suis parfaitement d'accord avec lui. Vos autorités n'ont qu'à nous approcher. Quand elles vont s'adresser au gouvernorat, nous allons étudier ensemble les voies et moyens pour alléger toutes ces souffrances. Nous avons tenu à commencer les visites euh, au niveau du secondaire par le franco-arabe pour une raison très précise. Le franco-arabe, c'est un système d'éducation qui a la confiance des jeunes filles. Pour le trésorier du comité directeur de l'Union des étudiants du Niger et membre de la délégation ministérielle dauda Omarou, la balle est désormais dans le camp du gouvernement. Demandons par cette occasion à ces autorités de créer toutes les conditions pour que dans le jours à venir, le scolaire nigérien, partout où il soit, que ce soit au Niger et ou à l'étranger, qu'il puisse être mis dans ses droits les plus légitimes. Le SNEN, e syndicat national des enseignants du de Niger, de son côté, fait le constat d'une entrée effective. Laoli Soufou explique que tout de même, certains de leurs camarades contractuels ont à faire face à des grandes difficultés. Le constat qui se dégage partout où on avait passé, quand même, nous avons trouvé des enseignants et des, élèves qui sont sur place. Et il y a eu aussi un début, n'est-ce pas, de distribution des fournitures et des emplois de temps et des tâches aux différents enseignantes et enseignants. du reste, euh, il faut dire que en dehors de ça, il y a quelques difficultés relativement aux revendications des syndicats. Cependant, du côté du SINASEP, syndicat des contractuels et fonctionnaires de base de l'enseignement, le ton se veut alarmiste. Cette organisation a déjà lancé un mode de grève qui prend effet ce jour et affirme ne pas vouloir se laisser divertir par, je cite, les sirènes du gouvernement. Abdelazak Abdelkader, secrétaire général du SINASEP Maradi. se dire aux camarades que cette année, il y a une lourde tâche sur leur dos. Nous allons traverser une année de turbulence. On s'est dit qu'il faudrait que notre plateforme revendicative soit satisfaite pour qu'il une stabilité par rapport au développement de l'école Nous avons fait de notre plateforme revendicative du côté du SINASEB la condition sine qua non de la réussite de l'école publique nigérienne. On a demandé au gouvernement que le paiement des peuples soit à terme issu. Nous avons demandé à ce gouvernement de la 7e République le retrait pur et simple de la l'arrêté du ministre de Martin, le ministre de l'enseignement primaire, portant transfert de compétences aux collectivités territoriales en matière de gestion de contractuels. Même volonté de faire des enseignants contractuels qui sont plus que jamais déterminés à boycotter la rentrée. Nous n'allons pas rentrer, hein, parce que jusqu'à présent, notre pécule ne sont pas encore tombés. Mais comment on peut rentrer avec des arriérés de pour un père de famille qui se trouve dans un poste éloigné, lui dire de rentrer, emprunter de l'argent pour aller rentrer ou bien faire quoi donc ce n'est pas possible pour nous de rentrer, on attend nos véhicules, après on va euh, rejoindre les postes. Moi ce que je veux dire, tout simplement que l'État se moque de nous les contractuels. Donc si l'État veut la paix, il nous paye Attends, Voilà, nous, la lutte continue. Mohamed Maman, depuis Maradi pour le studio Kalango. À Agadez, malgré le boycott du SINASEB, le rendez-vous de cette rentrée a été respecté. Notre correspondant Moussa Maman était sur le terrain. Voici son reportage. La rentrée académique 2016-2017 des élèves des primaires à Agadez est effective dans certaines écoles de la commune d'Agadez malgré les préavis de grève de 5 jours de SINASEB, le syndicat des enseignants contractuels et fonctionnaires du Niger. À l'école primaire, les élèves et les enseignants ont tous répondu présents et la rentrée s'est très bien passée. Madame Mani Geisha Abala, directrice de l'école d'Agmanet 2. La rentrée s'est très bien passée, sans aucun problème. Toutes les enseignantes sont là, tous les élèves aussi sont là, il n'y a pas de problème. Les fournitures sont disponibles disponibles et même dispatchés dans les classes. Les élèves sont déjà en possession de leurs fournitures. Pour les élèves de l'école primaire d'Agmano 2, ce jour est exceptionnel car c'est une retrouvaille entre eux et ils ont reçu leur fourniture scolaires. Merci, on est venu à l'école, on a vu nos amis. On nous a partagé des cahiers, des trousses, des cahiers de composition, des cahiers de devoirs, des dessins. On va travailler dans la tranquillité et que Dieu donne la chance à chacun. Le ministre de la formation professionnelle, Abdoumani, était à Agadez dans le cadre de cette rentrée scolaire et a fait le tour ce matin des établissements primaires et secondaires. Voici ce constat. Le constat fait, tout le monde a répondu présent à l'appel. On a passé un bon moment de vacances. Trois mois de vacances, nous sommes de retour. Et la fin d'année, elle se prépare maintenant. Vous avez vu cette année, la rigueur qui a été mise aux examens de fin d'année, de fin de cycle. Ce n'est plus la période de faire passer les, tout le monde, hein, les 100%. Nous nous sommes dit que c'est méchant, c'est criminel même de confier nos enfants à des enseignants qui n'ont pas le niveau. Seuls les méritants admettent. Je souhaite que l'année qui vient de démarrer aujourd'hui en beauté puisse se euh, poursuivre en beauté. On se rappelle que le SINASEB a décidé de boycotter cette rentrée scolaire, mais certains enseignants n'ont pas répondu au préavis. Pour Lawali Garba, secrétaire général de SINASEB d'Agadez, l'information n'a pas passé. Les gens vraiment donc n'était pas informé Le lundi, on a convoqué l'Assemblée générale. Elle n'a pas été faite comme d'habitude, c'est vrai, parce qu'il y a eu donc un manque de communication, comme je disais tout à l'heure. Là, peut-être euh, c'est une omission du Ben. D'habitude, euh, quand il y a des jours fériés, donc euh, nos événements ne, ne doivent pas donc concorder avec les jours fériés. Voilà pourquoi, si vous avez constaté aujourd'hui, beaucoup de camarades donc ont pris les semaines de l'école. Ils savaient pas. C'est une fois à l'école qu'ils ont appris qu'il y a eu même une Assemblée générale hier. Les parents d'élèves appellent aux enseignants et au gouvernement de trouver un terrain d'entente pour sauver l'avenir de leurs enfants. Enfin, Depuis Agadez, Moussa Maman pour le studio La suite de notre tour du Niger, nous partons pour Tawa. Notre reporter Abdoulaye Aoussouk a rencontré le directeur régional de l'enseignement de la région de Tawa. Il décrit une rentrée plutôt apaisée. Écoutons-le. Monsieur le directeur, comment a été la rentrée au niveau de la région de Tawa Vous savez, le premier jour de la rentrée, c'est un jour solennel. Et ce matin, toutes les autorités administratives et politiques de la région se sont mobilisés autour du gouverneur pour euh, effectuer des visites sur un certain nombre d'établissements scolaires, d'établissements professionnels et techniques euh, qui sont à Tawa. Le constat général que nous avons fait à l'issue de cette euh, tournée, les enseignants sont tous sur place, nonobstant le mot d'ordre de grève euh, de certains syndicats. les élèves également étaient tous au rendez-vous. C'était la joie, la retrouvaille dans tous les établissements que nous avons euh, visités. Les fournitures étaient sur place. Même au niveau des enseignements professionnels, nous avons trouvé des quantités importantes de fournitures et équipements des ateliers. Au niveau des écoles primaires, chaque élève a reçu son kit. On peut dire que dans la région d'Ottawa, la rentrée est effective ce matin. Et les échos que je reçus des services déconcentrés de la DREP, notamment les DDEP qui sont à l'intérieur, dans toute la région d'Ottawa, sur l'ensemble des 12 départements, la rentrée est effective. Autre son de cloche du côté des syndicats, écoutez Seinou Aruna, premier secrétaire général adjoint du SINASEB, toujours au micro de notre correspondant Ablaya Pour ce qui est de cette euh, ouverture de classe, parce que c'est de ça il s'agit, euh, nous sommes dans une situation de blocage de cette euh, ouverture de classe. Nous aurons à organiser demain, Inch'Allah, des séries de marches dans toutes les régions du pays. Et tout ça là relève du cadre du mot d'ordre que nous avons lancé, n'est-ce pas, d'un préavis de grève de 5 jours qui part à compter du 3 au 7. Donc du coup, c'est vous dire que nous avons entamé cette année académique 2016-2017, euh, comme on peut le constater, avec un mouvement. Et ce mouvement est né suite à nos différentes revendications, auxquelles s'est ajoutée cette question, n'est-ce pas, d'arriéré de 4 à 5 mois des salaires pour les enseignants contractuels pendant les vacances et aussi des arriérés des salaires même en tant que tels au niveau d'un certain, d'un certain, nombre, n'est-ce pas, des régions telles que Zender, Tawa, euh, un peu Tilaberi qui ont beaucoup souffert, n'est-ce pas, de cette situation. Nous avons des équipes sur le terrain et qui font le tour dans tout le pays. Euh, Peut-être euh, dans deux ou trois jours, nous pouvons vous dire effectivement la réussite de ce mot Mais c'est que sur les informations que nous avons maintenant et que nous sommes en train de recueillir sur, dans toutes les régions, nous rend vraiment satisfaisant et nous permet de dire que c'est un modèle qui aura beaucoup de succès. Parce qu'en réalité, les enseignants que nous sommes en train de diriger, les militants, ils sont déjà conscients qu'il va falloir se battre pour que l'école puisse vraiment redémarrer de bon au Niger. Propos recueillis par Abdoulaye notre correspondant à Tawa. La deuxième partie de ce forum est donc consacrée à, nos invités. Nous recevons ce soir euh, pour vous euh, des acteurs du secteur de l'éducation deux membres du Cause euh, Niger. Ils sont avec nous ici dans ce studio. Monsieur Zabirou Dambaji, bonsoir. Bonsoir, c'est Zaberu Dangali. Zaberou Dangali, merci euh, d'être venu euh, au studio Kalangu et nous avons aussi Issoufou Arzika. Bonsoir. Merci aussi d'avoir effectué euh, ce déplacement. Vous êtes, euh, vous étiez au début de cette émission avec nous. Vous avez entendu les différents reportages en ce qui concerne donc la vérification de l'effectivité euh, de, la rentrée scolaire. je vous demanderai quelle est votre première réaction par rapport à, cette rentrée scolaire. merci beaucoup. Vous allez m'excuser je ne développerai pas dans le sens euh, où la problématique est en train d'être posée par tous les médias, c'est-à-dire dans le sens de voir et entre les syndicats qui ont choisi donc euh, d'observer la rentrée et ceux qui ont choisi de la boycotter et qui est celui qui l'a emporté. Il ne s'agit pas d'une confrontation ici parce que la plupart des médias qui m'ont posé les questions c'était de savoir, euh, je, ce que j'ai compris c'était de savoir entre nous et les autres. On n'est pas en compétition. Nous sommes des organisations différentes, chacun a sa ligne, chacun a sa réflexion, chacun a choisi conformément aux aspirations de, de, de, sa base d'aller vers une option. Alors moi je crois que je ne me laissais pas entraîner dans, euh, dans ce débat-là. Nous n'avons pas encore posé le problème. Non, c'est comme ça. J'y préviens déjà parce que je risque d'être, euh, de ne pas être assez prolixe lorsque le, le problème va se poser là-bas. Je n'entrerai pas dans ce débat-là, mais je dirais simplement que nous, à la cause, nous avons et choisi en toute responsabilité d'aller vers euh, vers la rentrée, étant donné que il y a plusieurs paramètres qui nous ont amenés à le faire. Nous avons déjà observé un mode de boycott de, des examens et, du blocage des notes administratives et autres. Alors, euh, nous avons fait le constat parce que c'est ça aussi l'intelligence, c'est ça aussi l'adaptation. Nous nous sommes rendus compte que nous avons mené un mouvement que nous n'avions pas préparé. C'est vrai, les circonstances nous l'ont imposé, les autorités en face qui avaient choisi de faire sourd oreille par rapport à toutes les difficultés difficultés qui ont concouru les camarades, et nous étions obligés d'aller vers un mouvement, une forme de communication malheureusement, c'est vrai que nous avions été un peu satisfaits de ce que nous avons posé, mais le constat est là, il faut être rationnel, il faut être scientifique dans le mouvement. Nous nous sommes rendus compte que l'impréparation amène à l'échec et au ridicule. Et c'est fou, et fou, Arzika, nous allons revenir sur cette difficulté. Vous avez parlé de tout à l'heure euh, euh, des difficultés, n'est-ce pas, euh, auxquelles, je veux dire, selon votre plateforme revendicative, l'État a fait sourde oreille. Rappelons donc ces difficultés avec vous. Alors, les difficultés euh, sont d'abord les statuts particuliers dont nous avions attendu quand même euh, la mise en application de cette année-là, à notre grande surprise, il avait été donc euh, différé au, en janvier 2016. Qu'à cela nous, nous avons ce problème épineux, celui du paiement des péquilles qui est fondamental, même si quelque part j'entendrai que les vrais problèmes sont ailleurs. Non, le véritable problème qui a amené tous les débrayages à la fin de l'année et tout ce que vous avez su pendant les vacances, c'était justement le non-paiement des parce que pour nous, c'est fondamental. C'est une obligation de l'État. Ce n'est même pas une revendication. Non, quand on amène les syndicats à réclamer des choses que l'État doit donner d'office, je crois que eh, on fait ridiculer non seulement les réflexions dans le secteur de l'éducation, mais on fait aussi abaisser le débat quand on l'amène à un niveau alimentaire. Donc c'est fondamental. Lorsqu'on n'a pas à manger, on ne peut pas aller à l'école. Mais ce problème n'a pas été résolu, sauf, sauf euh, euh, par exemple dans la région de Niamey où vous avez écouté le directeur régional, euh, donc qui a qui a dit qu'au niveau de Niamey le problème ne se posait pas par rapport aux, autres régions. Niamey, est-ce que ce n'est pas infime oui, ben, bien sûr, vous savez, il faut, on dit que Niamey c'est la vitrine, mais écoutez, en termes de, comment on appelle ça, d'éléments vitaux. Il n'y a pas Niamey, il n'y a pas Maradi. C'est les mêmes personnes, qu'elles vivent à Niamey ou qu'elles vivent à Maradi, elles souffrent des mêmes difficultés. Ce n'est pas bon de croire qu'en donnant à Niamey et en laissant les autres régions, on est en train de mettre de la poudre aux yeux des gens. Voyez-vous, cette difficulté de, de payer qu'elle reste intégral tant que un seul contractuel n'est pas payé régulièrement. En plus des pays il faut parler de la question du recrutement. Regardez la promotion 2012, 2013 et 2014 ont comme leur billet pour aller à la Mecque, mais ils ne sont pas encore partis à la Mecque parce que les matricules encore sont en train de Et je vous assure que c'est avant-hier, pendant une réunion avec le ministre de l'Éducation, que nous avions appris que justement les postes budgétaires n'étaient pas débloqués. Nous, donné nous allons revenir, nous allons revenir à vous, Issoufou. Nous nous tournons vers euh, Zabeirou. Et euh, samedi dernier, c'était le samedi dernier, n'est-ce pas, ou le dimanche, Rappelez-moi si je me trompe, la cause Niger avait donc euh, animé, euh, avait rendu publique pardon une déclaration au cours de, laquelle elle avait donc fait euh, l'état des lieux, revenir donc sur la plateforme revendicative. Donc merci. Il faut rendre, je dirais à Arzika ce qui lui revient, c'est le co coordinateur cette question aurait dû euh, euh, être opposé à lui, mais en tout état de cause, euh, je viens pour l'épauler, puisque c'est notre co-coordinateur. Donc dans ce cas de figure, il faut voir notre travail sous un angle de lutte, de lutte à moyen et long terme. Et il faut qu'il ait une préparation efficace. Vous avez parlé des problèmes, effectivement, par rapport à cette rentrée-là. Nous, nous avons décidé au niveau de la cause de ne pas la bloquer pour des raisons stratégiques qui nous sont propres. En tout état de cause, il faut euh, éviter l'impréparation. Nous sommes majeurs, nous sommes adultes, nous pensons que dans tous les cas de figure, quelque chose qui a été mal préparé par l'État, il ne faut pas qu'on nous échafaude cette responsabilité-là. Ça veut dire que vous allez revenir à la charge Dans tous les cas de figure, attendez le 11, 12, 13 nous, nous allons revenir à la charge parce que nous avons un chronogramme de travail, un chronogramme, un chronogramme de lutte et de combat. Ce n'est pas que nous avons, comme on le dit, mais nous sommes en train de nous organiser. De, sensibiliser les camarades pour pouvoir prendre en charge tous les problèmes qui sont les nôtres. Et ces problèmes-là, le camarade SG vient de les rappeler, c'est entre autres le non-paiement des pécules. Euh, j'ai suivi le tour d'horizon que vous avez fait au niveau de toutes les, régions. Effectivement, c'est un problème crucial. Donc, même si Niamey a été payé, mais Niamey à elle seule ne constitue pas le Niger dans son ensemble. Ça veut dire qu'en réalité, c'est un problème à demi traité et que par conséquent, nous, tant que les camarades contractuels de leur ensemble n'ont pas été payés, eh bien, euh, le problème reste et demeure, reste entier et que par conséquent, nous faisons de ça une priorité dans les revendications des nôtres. Et c'est pourquoi la cause, vous avez remarqué, elle l'avait placée au point 1, le non-paiement des pécules de nos camarades contractuels. Le second point, eh bien, c'est ce que nous appelons le non-respect de tous les engagements que l'État a eu à signer avec les différentes structures syndicales. Jusqu'à preuve de contraire, les problèmes euh, qui sont au niveau de cette plateforme revendicative, c'est entre autres la question du statut particulier. Vous avez entendu aussi le camarade SG rappeler qu'il a été tout simplement échoué jusqu'en 2017. Soit dans tous les cas de figure, laissons le, euh, comment on appelle ça, le mouton courir, parce qu'il viendra. Dans tous les cas, il faut reconnaître que ce n'est pas le seul point. La question de recrutement. On ne peut pas dire que tel camarade ou nos camarades sont admis au concours et bien jusqu'à preuve de contraire pendant un an, deux ans, trois ans, quatre ans, leur matricule encore tarde. Donc c'est une question où tout simplement nous constatons un manque de volonté du gouvernement de pouvoir traiter ces questions-là parce qu'elles ont des impacts financiers et que par conséquent, il faut jouer au chrono. Et c'est ce rythme-là que nous avons vu en tout état de cause, cet intérêt-là, il faut que les camarades se retrouvent, réfléchissent et dégagent une position claire qui va faire en sorte qu'il faut mener un mouvement conséquent et responsable susceptible de faire agenouiller le gouvernement dans le sens de pouvoir résoudre tous ces problèmes-là. you.